de vous retrouver sur les ondes de nos médias partenaires, auditeurs et auditrices. Il est 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Ravia Meikano et je suis avec Rakia Arimi. Rakia, ça va ce matin Oui, Bibi, je vais bien. Et toi Ça va super bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Dans cette édition, nous aurons le flash d'information la rubrique hebdomadaire. Nous ferons un tour à Maradi pour la rubrique Écho des régions. Nous aurons également le sport et le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu. Nous recevrons dans cette édition un invité spécial. Il était rappeur et aujourd'hui un spécialiste du gourmet, instrument de musique traditionnelle d'origine Hausa de la classe des cordophones. Sani, plus connu sous les sobriquets de Mola. L'édition est assurée par Khadija Isaka et la technique par Amina Hassan. Top, c'est parti. débute cette émission avec le flash d'informations présenté par Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour Rabia Mekano, bonjour euh, Rakia Arimi. Alors tu as quoi pour nous ce matin eh bien, euh, euh, Rabia Mekano, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a, dans un communiqué publié dimanche 27 août, demandé au personnel de l'administration de bien vouloir remettre l'ensemble des biens matériels et moyens roulants mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions. Ainsi, il est demandé à tout le personnel de l'administration de l'État n'étant plus en service de bien vouloir remettre à leur structure d'affiliation l'ensemble des biens matériels et moyens roulants mis à leur disposition dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Le CNSP donne un délai de rigueur de trois jours à compter d'hier lundi 28 août pour s'exécuter. Le président français a annoncé hier lundi 28 août que la France va soutenir l'action diplomatique et quand elle le décidera militaire de la CDAO. Emmanuel Macron, qui intervenait lors de la conférence annuelle des ambassadeurs à l'Élysée, s'est défendu de tout paternalisme de Paris en Afrique et réaffirmé que la France ne reconnaît pas les autorités militaires du Niger. La sortie euh, du président français intervient en pleine euh, persistance de tensions diplomatiques entre euh, Paris et Niamey. Le dernier épisode de ce bras de fer a été l'expulsion dans un délai de 48 heures vendredi dernier de l'ambassadeur de France au Niger pour, entre autres, des agissements contraires aux intérêts du Niger selon le communiqué publié à cet effet par le ministère nigérien des Affaires étrangères. Dans une déclaration rendue publique samedi 26 août à Niamey, l'Association des municipalités du Niger et l'Association des régions du Niger ont annoncé avoir euh, pris acte de la proclamation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi que sa décision de garder les organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales, c'est-à-dire euh, des communes et des régions. L'AMN et l'ARENI ont également apporté leur ferme soutien aux actions annoncées par le CNSP pour une transition réussie et condamner les sanctions jugées dramatiques, inhumaines et inédites imposées au Niger par la CDAO. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 29 août 2023. Merci, bien, Mokhtar. À bientôt. Comme annoncé à l'entente de cette émission, nous recevons ce matin dans ce studio l'artiste, chanteur et compositeur Mamazani. Il faisait du rap avec son groupe Mazanfagé et il utilisait plutôt des instruments modernes. Et c'est à partir de 2005, je ne me trompe pas, hein, Mamassani, qu'il a commencé à fréquenter le centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya pour apprendre à jouer les instruments traditionnels nigériens. C'est ainsi qu'il a appris à jouer le gourmi, le kalangu, les ganga et les garaya. Nous parlerons de sa conversion musicale dans cette édition. Bonjour Maman Sani et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. je vous en prie. Voilà. Ben, avant de commencer notre entretien, nous allons avec notre première balade musicale et à tout honneur, à ah tout seigneur, tout honneur, ah le titre Adumulmula de notre invité oh. Maman Sani. shegantaka a da murmula rawa ta zaman layiya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa a da murmula rawa yan nijar duka a da murmula rawa ko shegantaka a da murmula rawa ba shegantaka a da murmula rawa ta zaman layiya soyayya da lumana lumana da farin ciki a da murmula rawa yan nijar duka jama'an nijiyar salamu alaikum na ce ita sallama cikon musulunci take kuna ta na canda da farko farkon yin duniya da Allah ya aiko mala'iku a wajen dan adam magana da sun fara yi musa ita ce sallama ta zo tamka addu'a ba fatan arzikawa suka yi musa kuma ba fatan yin mukami suka yi musa ba fatan in macutar suka yi musa ba fatan kari iko ko kyawo sun mishi fatan lumana ta ubangiji ta tabbata gwan dan adam da mun rayuwar bil adam a nan sararin duniya wa soyayya da lumana da aljanna nan kasa take sararin duniya ba ta wuce nijar maka yi domin addu'a adam mulmula rawa ko shegantaka kai kai adam mulmula rawa ba shegantaka adam mulmula rawa ta zaman layya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa adam mulmula rawa yan nijar duka shekaru barkatai kabilu sun kai goma suna zallami lahiya cikin al'adunsu ko da halin cuɗayya ta hanyar taka an ka san darajar dan adam tarihin tarbar baki lalle babu kamar nijar kwakwaran soyayya tsakanin adama sai in ka zo nijar har ma ka ga isa kamu da arziki mai dimbin yawa ga gangan ruwa ga zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka kuma filin wasan takadin murmula adam murmula rawa ko shegantaka ne da gingimi ka ko daga film har ka zo nan toro da wata yanwa ko malati har da matan lahuci ba su hana mu ba rayuwa cikin soyayya da lumana ina arziki iya uwar yaro ta iya uban yaro ya iya rawar da ba a yi sai an sha zuma mun rawa kana shiriri sai ka dibi ta ka dibi takin sauna ka san rawa ba ɗaya ba ba a yi sai an sha zuma pour présenter les chansons à nos auditeurs, mais aujourd'hui nous avons l'honneur d'être en compagnie de l'artiste. Il va nous parler de ce titre qui est l'un de ses plus grands succès. Maman Sani, Adam Moula, c'est quoi le message derrière ce son Moi, je suis content d'être avec vous. Je suis vraiment content d'être avec vous. Plaisir partagé. Je suis content d'être avec vous. Et voilà, Maman Mansani, j'ai fait mes chansons déjà en fait à partir de 98, n'est-ce pas mhm. Avec Mazan Fagui, on a fait notre premier groupe de, rap là. On a fait Sex et Tous Sous en 99 la première chanson avec mon groupe de hip-hop, là, n'est-ce pas Donc, dans les années du. le début du hip-hop nigérien, il n'y en avait pas déjà 10 qui ont fait première chanson hip-hop nigérien et qui ont même arrêté parce que même en termes de musique moderne, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que c'est vrai, il y a eu les Alej qui ont arrêté peut-être en Europe ou aux États-Unis, mais il n'y en avait pas beaucoup qui ont arrêté des chansons studio. et là, ça sera dans notre entretien, nous allons parler de votre parcours. Euh, notre première musique, habituellement, vraiment, nous cherchons nous-mêmes des informations. Des fois, nous essayons de traduire les chansons à nos auditeurs qui mhm. comprennent pas ça. Mais là, moula il est avec nous. Ben, c'est l'occasion de présenter la chanson. Ça, c'est 2009, 2009 quoi. Oui, mais okay. voilà, quoi. D'accord, allons-y. Oui. c'est quoi euh, le message derrière cette chanson Qu'est-ce que ça veut dire, moula <laughs> Euh, Atumumura, c'est déjà une chanson qui parle du rythme. Enfin, d'abord, c'est un rythme. Ok. C'est un rythme nigérien. Hausa. C'est un rythme Hausa. Mhm, approché. Mhm. Donc, voilà, d'abord, c'est un rythme, n'est-ce pas mhm. C'est un rythme Hausa. C'est aussi une danse. Parce qu'il faut, au début, il y a à la création de l'humanité quoi quoi il y a mm. eu le, « bang là quoi qu'on dit là en fait on dit on parle du « bang le big bang vous savez le « bang quoi il y a eu il fallait qu'il fasse qu'il fasse boum ah, pour que la vie arrive sur terre c'est comme ça que quand il y a eu le « bang il y a eu la vie maintenant la musique c'est pratiquement le son est au début de l'humanité. Et ça, ça n'a rien à voir. Je, moi, je suis pas échologue. Je ne suis même pas. Je n'ai pas fait anthropologie de de l'histoire, mais un peu l'anthropologie de, de, de la musique, de, l'histoire euh, des arts et de la culture. J'ai pas étudié ça beaucoup, mais en tout cas, ça va, ça va. Mais nous savons aujourd'hui que le son, il est au début de l'humanité, quoi, de l'existence des êtres humains sur Terre. Mm. Oui, parce qu'il a, il a fallu que, qu'il fasse boum pour que la vie vienne sur Terre. Les scientifiques sont, je pense que les scientifiques sont d'accord avec ça. Donc vous disiez, Admoulmoula, c'est un rythme en nigérien qui, qui symbolise quoi C'est à quelle occasion Oui, un rythme nigérien et particulièrement, précisément un rythme euh, Aoussa. Seulement, ce n'est pas, pas un rythme nigérien, c'est plutôt un rythme Aoussa. Ok. C'est un rythme Aoussa. Et il se trouve que les Aoussa, ils sont et au Niger, vous savez, les histoires de frontières, quoi, depuis qu'il y a eu le truc de 1885, euh, euh, la conférence de 1888-89, la conférence de Berlin, là, et qu'il y a eu les on a coupé, coupé les, les, oui, donc les ethnies, les à la fois au Niger et au, Nigeria. au Nigeria, euh, entre-temps aussi un peu ils, ont, ils sont partis un peu au Cameroun, au Soudan, actuellement au Ghana et tout ça. Là, quoi. Bon, voilà, donc c'est un rythme à ça. Oui. Maintenant, c'est une danse en réalité qui se fait dans le contexte, euh, pour, pour, pour être concis, c'est une danse qui se fait vraiment pratiquement au dernier moment de la période des récoltes. OK. Quand, euh, quand la récolte est bonne, et puis les gens, euh, on mange bien et euh, on grossit. Vous savez, <laughs> en Afrique, là, on aime bien l'opulence corporelle. Corporelle. Hmm. Quand on grossit, on vient se dire que voilà quoi, regardez comment j'ai pris du poids, hmm. ah, regardez comment oui, oui, c'est. <laughs> Du coup, comment je suis devenu Adumulmula Comment je suis devenu Adumulmula <laughs> Tout à fait. Exactement. Donc, c'est ça, Adumulmula, en réalité. quoi. Donc, c'est une danse qui fait. Euh, qui montre que. Une danse de réjouissance. Qui parle de, réjouissance et même qui parle de. Voilà, quoi c'est bon, on est, c'est bon. J'ai bien mangé. J'ai bien <laughs> mangé. voilà, regardez comment je suis devenu gros et puis voilà, et on est content. Bah, super, on aime bien cette chanson. Mm. Là, on va attaquer euh, la première partie de notre entretien. en premier lieu, nous aimerions bien en savoir plus sur euh, vos premiers pas en musique. Ça a commencé euh, à quel moment Mazin c'était votre première étape ou ah même avant vous étiez déjà dans la musique non, je n'étais pas dans la musique avec Mozan parce que Mozan c'est le, groupe de rap avec lequel j'ai commencé la musique et ça a commencé en 97 ici à Niamey. Ok Bien avant ça, c'est vrai, j'étais jeune artiste, non, pas forcément artiste, mais sinon j'étais. Vous aimez bien la musique J'aimais bien les arts et la culture. Parce que j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais je ne peux pas les appeler des poèmes ou des textes, des nouvelles, mm, mais au, lycée et au collège, euh, au lycée déjà, au collège déjà, j'aimais bien écrire. Et quand j'écrivais, j'écrivais des, choses, je ne les appelais même pas nouvelles, quoi. C'était pas des nouvelles, mais j'écrivais des choses et tout ça, là, quoi. Et à un moment, et ça, nous sommes en train de parler de 92, 93, 94. Je ne savais pas ce que j'écrivais, mais moi j'avais l'habitude, j'aimais lire. Et je profite déjà de l'occasion pour euh, demander encore. Je sais que ça ne va pas marcher tout de suite, mais les Africains n'aiment pas lire. Et il, paraît que les Blancs, ils aiment bien dire que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, parce qu'il ne va pas lire. Ouais. Vous étiez déjà très engagé euh, avec le thème que vous abordez comme les, la consommation des, stupéfiants <laughs> chez les jeunes et vous aimez déjà ensuite en chanter en Hausa. Est-ce pour un souci de proximité avec votre euh, public que vous vous êtes euh, tourné vers les styles de musique plus locaux Absolument, parce que on va dire que depuis Mazan Fagui, la première chanson de la première chanson et c'était l'un des cinq premiers titres de musique euh, rap nigérien mhm. à adressé au Niger. En tout cas, avec Mazan on a sorti, on a fait notre première chanson, elle s'appelle euh, et c'est sorti en 99. Ok Et euh, sousou ça parlait déjà de, de la dépigmentation de peau. Et dans la chanson, on, a utilisé un instrument de musique traditionnelle qui n'est pas force, qui n'était pas nigérien, quoi. C'était du balafon. voilà, on a utilisé du balafon, un, instrument de musique traditionnelle africain. Donc nous, on était déjà, on ne peut pas dire que c'était du hasard. Mais si vous voulez, ce n'était pas nous. Quoi. On a eu la chance d'être déjà au CPM le, centre de formation et de promotion musicale de, du, Niger, du Niamey. On était, on était là-bas, il y avait des anciens musiciens qui étaient là, qui, qui font de la musique jazz, qui font de, de grandes musiques euh, du monde. Mm. Oui. Bon, bon, nous, on est venu, on, fait du hip-hop. Et le hip-hop, vous savez, c'est une musique déjà africaine qui a quitté l'Afrique pour partir en Europe. Mhm. Et puis, enfin, aux États-Unis et tout ça, là, quoi. Bon. Donc, nous, on est venu, on a fait. On voulait faire des musiques comme ça. Et. Mais quand même avec euh, une identité contact, propre. Euh, oui, en, contact avec eux, on a compris qu'on voulait faire. Euh, on voulait proposer des choses nouvelles. Plus originales. voilà. <laughs> on, peut, le dire, euh, <laughs> c'était quelque chose quand même votre façon de chanter, mais justement on va aller euh, là là. <laughs> Il est venu avec le gourmi On va profiter euh, pour avoir quelques notes de gourmi avec un freestyle ou une chanson. On peut aller, Maman Sani Allons-y. Ok. Quand que gourmi est là, ça va. Ah ben oui. parce que. Ok. Hmm. Pour nous, ça sonne bien. <laughs> oui. <laughs> Pour nous, ça sonne bien. C'est D'accord, ça va, ça va. Ça, ça peut aller là Non, ça peut pas aller parce que j'ai besoin de l'accorder vraiment. Ok. Voilà, ça va pour moi. Ok, pour nous hmm. aussi. C'est compliqué avec les instruments de musique traditionnelle qui restent traditionnels. Mm. Oui. Souvent parce que pour les aléas du climat et beaucoup de facteurs, Concurrent, ils peut pas ne pas, ils vont pas, ça, va pas sonner comme la guitare ou surtout comme le piano. Oui, avec la précision qu'on mhm, veut. Mhm. la précision, voilà, question de précision. Hmm. En les là, moi je sais pas comment je me suis retrouvé avec la langue. même un son. Hein. <laughs> voilà. c'est compliqué, c'est des instruments de musique traditionnelle. Non, c'est pas compliqué, mais c'est. Ils ont besoin d'innovation. ok Et nous, nous sommes en train d'essayer de d'apporter ce qu'on peut apporter quoi, pour contribuer à ce qu'on fasse en sorte qu'il puisse être devenu comme, comme le piano ou la guitare. Parce que mm. vous savez, quand celui qui a la première personne qui a fait la, guitare, l'espagnol le, qui a fait la guitare en 1800, 1980, 84, il a fait sa guitare, n'est-ce pas, là-bas, euh, donc en Espagne, ils ont, ils ont développé ça, ils ont utilisé la guitare et puis bon, elle, a, fait, elle a fait le tour du monde quoi. 1884, pas 1984. ça, ça, a fait le tour du monde et la guitare est devenue ce qu'elle est devenue. Mais là, vous avez un souci avec le groomy. Ce qu'on va faire, c'est ah qu'on va poursuivre euh, mm. euh, notre entretien. Le temps, il est, il est, il, est compté déjà. On est déjà dans les temps. Mm. Mm. Euh, ben, ça sera pour une autre fois alors Ah oui, alors... <laughs> ok, le live avec le gourou. Parce que je ne vais pas jouer faux. Oh, voilà, mm. voilà. Mm. Ok. Donc euh, là, Rakia. Euh, merci bien l'artiste. Poursuivons notre entretien. Vous êtes passé du rap à la musique traditionnelle. Pourquoi et comment En réalité, même à mon début, j'ai eu la chance, et ça je vais dire que c'est du hasard, quoi, qui a fait que mm, depuis 98, avec mon groupe, nous étions à côté du CPMTA. Vous savez, le CPMTA, c'est un quartier qui est placé à côté du CCOG. Mhm. CCOG, moi, j'étais déjà au quartier Abidjan. Mm, avec ma famille, on était donc euh, maison économique. Vous, voilà quoi c'est. on arrivait à marcher à pied. Je, peux venir de la maison économique Terminus mhm. pour arriver. C'est carrément tout droit, quoi. Tout droit d'un quoi. C'est ce que je faisais. Donc, euh, il y avait mon ami qui à nous Nous étions trois avec Mazanfegui. Donc tous, on se retrouvait au CPM pour répéter. C'était le seul endroit où on avait une salle où on, peut, on pouvait nous permettre de venir euh, répéter, travailler nos musiques. Maintenant, on a eu la chance qu'il y avait, au CPM, il y avait déjà de grands musiciens nigériens. Il y avait John Sofokle qui était là. Et puis, bon, voilà quoi. Il y avait même aussi beaucoup de nationalités, euh, beaucoup de races d'Africains qui venaient aider le Niger, mhm. contribuer donc aux, aux arts et à la culture pour le Niger. Et on les rencontrait. Et puis, bon, voilà. Ils ont ça, fait. C'était la grosse influence. C'était un peu Pour l'étude, oui, oui, tout à fait. Vraiment, quoi, pour l'étude de la musique, quoi, ils ont fait ça comme ça. Et nous, on a fait. On a entendu les, les, les, les connaisseurs, en fait, de façon scientifique. Je parle de, leur façon scientifique de faire la chose. Parce que, entre-temps, moi, moi j'ai grandi, en réalité, j'ai grandi carrément un peu, on va dire, à maladie, à et tout ça. Là, quoi. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, de voir des grands musiciens jouer. traditionnel Comme tout le monde, quoi. comme tout le monde, quoi. Vraiment, quoi. Mais depuis, comment vous avez été accueilli euh, dans l'univers de la musique traditionnelle Comment ça se passe pour vous Qu'est-ce que ça a changé euh, dans votre. Euh, qu'est-ce que ça a apporté à votre carrière d'artiste Ah oui, c'est que ça a apporté, c'est parce que en réalité, depuis le début, moi, ça, ça a toujours fait la différence. Quoi. Déjà, même depuis euh, tous la chanson, la première chanson, le, le la première chanson, donc le, single de Mozan Fagué, on avait, on a, on a, on portait déjà une touche musicale euh, africaine à notre hip-hop. alors Alors qu'on sait que le hip-hop, quoi, c'est juste quelque chose où un DJ va venir composer un rythme là, du genre à, New York ou machin. Donc on avait, on avait cette chance-là. Mais quand on est venu au CPM, on a vu des. On a entendu, nous, on a proposé. Oh, oh, il faut utiliser. Je vais dire bonsoir à Maître. Bonjour ou bonsoir, c'est quoi cette heure-là quoi Bonjour ou bonsoir, à Maître Bat. à Maître Bat, qui est. En tout cas, il a, il a aidé le hip-hop nigérien à partir de 97-98 à ce que il a canalisé notre hip-hop en sa façon, quoi, pour que notre, le hip-hop là, quoi, puisse s'intégrer dans, le, dans la musique euh, africaine quoi, et, apporter un petit plus. Vous savez, dans, le, dans la mondialisation, là où nous sommes, moi je pense que. Hmm, je sais que le temps est contre le nous. Le temps est vraiment contre, nous. Justement, Maman Sani, mhm. on, bon, on sera obligé de de, se retrouver une autre fois dans un autre cadre. <laughs> Là, c'est déjà épuisé le temps, <laughs> le temps qui nous est accordé. Maman Sani, ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci d'avoir répondu à nos questions. La rubrique hebdo, ça sera juste après la pause. <laughs> Chers auditeurs, dans la rubrique hebdomadaire de cette édition, nous allons parler de la crise des gouttes, une crise extrêmement douloureuse et il faut noter aussi que la goutte est une maladie qui est beaucoup plus fréquente chez les sujets des sexes masculins. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous nous sommes entretenus avec Dr Souley Kimba, cardiologue à l'hôpital national à Lamordé de Niamey. Il est au micro de Habiba Ahmed. La goutte euh, est une maladie inflammatoire de l'articulation qui est liée à un dépôt d'acide urique au niveau des articulations. Dans un premier temps, les personnes qui vont faire la goutte ont un taux élevé d'acide urique dans le sang. Généralement, le taux normal d'acide urique dans le sang ne doit pas dépasser 65 mg par litre. Et ces gens vont se retrouver avec des taux qui sont supérieurs à 75, 80, voire 100 mg par décilitre. Dès que le taux dépasse la valeur seuil, il va y avoir un dépôt de cristaux d'acide urique au niveau des articulations qui vont entraîner des inflammations au niveau articulaire et ces inflammations-là, ce sont eux qui vont favoriser la survenue des crises de goutte. Donc voilà globalement en ce qui concerne la définition. Quels sont les symptômes Les symptômes de la goutte, c'est essentiellement les douleurs. Et ces douleurs-là sont liées aux inflammations causées par le dépôt d'acide urique au niveau des articulations. Et le malade peut présenter parfois une fièvre associée à des frissons et un malaise. Et sur le plan de l'examen physique, les articulations peuvent être gonflées, voire même déformées. On note généralement une articulation qui est tuméfiée, rougeâtre et qui est douloureuse à la percussion. On peut avoir également un œdème loco-régional, c'est-à-dire que la partie concernée tout autour de la partie inflammatoire va apparaître un œdème. Donc généralement quand on a ça chez quelqu'un qui a des prédispositions génétiques, on peut dire que c'est une crise de goutte qu'il est en train de développer. Et il va falloir mettre en route la prise en charge de cette crise de goutte. Quelles sont les causes Un des facteurs qui favorise la survenue de cette crise de goutte, c'est essentiellement l'alimentation. Et l'alimentation riche en purines. Et les purines sont des produits issus de la dégradation des protéines. Et essentiellement, on les retrouve au niveau de grands consommateurs de viande rouge, mais également ceux qui consomment assez d'alcool peuvent avoir aussi des taux élevés d'acide urique dans le sang. Il y a également les gens qui sont le surpoids et l'obésité sont des facteurs favorisants, ainsi que la sédentarité. Il y a l'hérédité aussi qui est un facteur favorisant. Les gens dont les parents euh, sont porteurs de gouttes peuvent avoir euh, aussi à manifester la goutte. Il y a les médicaments du moins, les médicaments comme les diurétiques vont favoriser également. Les diurétiques, ce sont des médicaments qui sont prescrits généralement chez des gens qui ont par exemple une insuffisance cardiaque et qui ont des œdèmes des membres inférieurs. Quelles sont les complications de cette maladie euh, Une insuffisance rénale est une complication de la goutte. On peut avoir une hypertension artérielle, des atteintes coronaires. On peut également avoir le dépôt de cristaux d'acide urique dans les articulations qui vont être déformées. Donc les déformations articulaires avec apparition de tophiques gouttées au niveau cutané et au niveau articulaire. On peut avoir des insuffisances hépatiques. Tout ça là sont des complications qui sont liées à des taux élevés d'acide urique dans le sang qui ne peut pas être éliminé. Alors, comment se fait la prise en charge Alors, la prise en charge de la goutte passe par deux volets. Il y a un volet prise en charge de la crise de goutte et un volet prise en charge préventive. Parce que le plus important, c'est la prise en charge préventive. En ce qui concerne le traitement curatif, c'est essentiellement la mise au repos de l'articulation concernée. Si c'est le gros orteil, il faut le mettre au repos, l'immobiliser et il faut utiliser des anti-inflammatoires et les antalgiques. Généralement, dans la crise de goutte qui est connue de presque tous les médecins, c'est l'utilisation de la colchicine. Ça, c'est le traitement antalgique. Mais également, il y a le traitement de l'acide urique. Donc, il faut éliminer le taux élevé d'acide urique dans le sang. Généralement, on utilise le zylurique en ce qui concerne le traitement curatif. Mais à côté du traitement curatif, il y a les mesures préventive. Ces mesures préventives visent à pouvoir éviter tout ce qui favorise l'accumulation de l'acide urique dans le sang. Premièrement, nous avons vu l'alimentation. Il faut éviter de consommer les aliments qui sont riches en purine, essentiellement la viande rouge. Ça, c'est un point qui est très important. Il faut éviter d'être sédentaire. Il faut que les gens pratiquent des activités physiques. Il faut combattre le surpoids et l'obésité. Merci bien Habiba pour ce reportage édifiant. On se détend encore en musique avec Yeti Yeta de Abel Zamani. par le public nigérien. Il est né dans une famille de musiciens car il est le fils de l'artiste Salifou Barke du groupe Tandé communément appelé les Tandistes. Il quitta pour en 2005 et aussitôt arrivé, il forma son groupe de danse dénommé Celtic Breakdance. Abel Zamani a toujours voulu réaliser les rêves de son père, celui d'être une star de la musique nigérienne. Il quitta le pays pour poursuivre ses études au Ghana, ainsi pour atteindre son but. C'est en 2011 plus précisément qu'il déposa ses valises à Accra où il enregistra son premier son. Badje, avec ses titres. Il fut le premier artiste nigérien et à faire, le, et à faire de l'afropop qui a connu qui a connu le succès à Niamey. Il fait son retour au pays en 2014 avec son album et un concert à Djadou cet artiste a connu du succès en collaborant avec des artistes locaux et internationaux. Il continue de faire bouger la musique nigérienne hors de ses frontières. Vous êtes bien sûr sous le mission Le Niger sur Kalango, présenté par Abia Mikano et Rakia Arimi, cap sur Maradi pour le reportage région. Ravi dans la région de Maradi, plus précisément à Tassawa, les jeunes vont en exode à la recherche du bien-être. Cependant, les jeunes exodants rentrent au pays avec des mauvais comportements tels que les vols des bétails, etc. Cet effet d'effet inquiète les parents et les autorités locales. Ilia Momoni, notre correspondante sur place, s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage. Duk da iya kokarin da matasa ke yi na ganin cewa sun biya ma kansu bukatu da kuma ɗaukar kansu da kansu ta hanyar zuwa neman kuɗi haƙar zinari ko kuma ƙasashen ƙetare. Yanzu haka ne waɗansu iyayen na kokawa da yadda matasan ke yo aron sabbin ɗabi'u a cewar tsayabu da ke zama ɗaya daga cikin ma'aikwan yaran. Falagabanmu mu ne gudun 'yan sace-sace ka saba da kama kuɗi kuma ka zo nan gida abu ya ƙare kenan ka gani in baka da abin koma, dole kuma zaka faga-fagan ka nemi abin da zaka ci ka koma ɗin. Yanzu a misali sata satar dabbobi ta addabe mu duk masu zuwa ne su sayi babur din nan yanzu in ka je an yi sata a ƙauyen nan da babur ne aka je aka yi kaga ana ce ma wasu har ɗaukar su ake haya a ta irin yan faɗace faɗace domin su samu ɗan abu in aka dawo lafiya. a nashi bangare dai lawali ibrahim dan malisar dokokin ƙasar mu ta nijar ya nuna cewa babban laihi na ga iyaye. uwayen ne za su galgadin ɗin su kuma su tarbiyya da gushen yin haram akwai yaran da su kai shekara sha hudu sha biyar ake tura su neman kuɗi kuma su zo ba tare da sun ba uwayen kuɗin ba su sayi ababen hawa na zamani da bushe-bushen sa ana kallo to wake iyawa wannan kuma shi yasa magabata ke ci gaba da tashi tsaye haikan danganin jan hankalin matasa a cewar salimani mataimaki na farko ga shugaban da'irar birnin tasawa matasa bada kuɗi daidai ne a ta ashe a buɗo kuɗi amma da Allah da annabi wanda duk ya bada kuɗi ya san abin da ya kai shi abinda ya kamata matasan su kula kenan duba da cewa su ne manyan gobe a nan gaba Passons à la page sport, mais avant une petite pause. Accueillons ensemble notre chroniqueur sportif Hassoumi Grouza. Hassoumi, bonjour. Euh, bonjour Rabi, bonjour euh, Rakia. Alors, euh, c'est demain la finale du TGV de Lazare. Oui, effectivement, débuté le samedi 8 juillet, le tournoi des grandes vacances de Lazare a débuté la compétition, vous rappelez, avec 24 clubs dans l'enceinte du complexe Isaka d'Abori. C'est la dixième édition et la finale opposera dès demain S banifondou 1 et Chicago FC. Une finale qui sera certainement animée par les 22 acteurs qui se sont démarqués des autres équipes euh, des deux côtés, le moral des joueurs et au bon fils. Et Gourouza, quelle, leçon peut-on tirer du TGV Lazarin Rekia, il faut euh, noter que ce tournoi des grandes vacances est organisé depuis 10 ans 10 ans, c'est pas aujourd'hui. Mhm. Et c'est une compétition qui se veut être un cadre de réjouissance et de convivialité entre jeunes pour leur permettre de s'épanouir pendant les grandes vacances, mais aussi de les aider à se faire repérer par les sélectionneurs des grands clubs nationaux. Pour votre information, grâce à ce tournoi, l'année passée, un jeune du nom de Petit Issa a été déniché par le Sahel et le MENA National Équipe A actuellement, le jeune Issa est à l'étranger. Donc, c'est pas pour vous dire que c'est pour vous dire que euh, le TGV a un intérêt capital. Mais c'est aussi un temps mort pour le sport du Niger. Oui, Rabi. Euh, chaque année, en cette période, c'est la saison morte au Niger, en attendant euh, le championnat. Mais pour permettre aux acteurs, les footballeurs, les sélectionneurs, bref, de se reposer. D'autres voyages D'autres également restent à la maison. Bref, c'est euh, pour qu'ils reviennent en forme après les vacances. Voilà pour le mm-hmm. sport. Merci, Merci bien, Grouza. Après le sport, nous allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Oui, Rekia, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Nafisatou Ide, présidente de l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement. Nafisatou Ide est titulaire d'un Master 2 en psychologie. Elle est aussi l'une des femmes engagées pour la défense et la promotion des droits de la femme nigérienne. Rakia, tu es allée à sa rencontre suivant son portrait. Né en 1984, Hajia Fissatou Ide est titulaire d'un master 2 en psychologie depuis 2008. Depuis le collège, elle était dans le syndicat et occupait des postes. Aujourd'hui, Nafisato est l'une des femmes très engagées dans la défense et la promotion des droits des femmes, une passion d'enfance. Elle raconte les raisons qui l'ont motivée. Ce qui m'a beaucoup plus orientée sur les questions des femmes, c'est vraiment quand on regarde de manière générale les conditions de vie des femmes. Nous constatons que c'est des conditions qui ne sont pas vraiment satisfaisantes, d'où la nécessité d'apporter une solution par rapport à tous ces problèmes-là que les femmes rencontrent. Également, quand je regarde euh, au sein de ma famille, nous avons plusieurs cas de VBG qu'on peut appeler ainsi parce que nos mères n'ont pas été dans des bonnes conditions au moment où elles sont dans leur foyer avec nos pères. Donc tout cela m'a interpellée. J'ai pas grandi avec ma mère, mais le plus souvent de fois quand je suis avec elle pendant les vacances, j'ai tendance souvent à péter les plombs parce que je vois une femme qui mérite pas de se battre seule pour subvenir à certains besoins. Elle a toujours été euh, femme de famille comme père de famille. <laughs> Doublement, elle jouait le rôle de l'homme et le rôle de la mère. Donc, c'est une femme qui m'inspirait. En 2009, une idée de créer une organisation lui est venue. Nafisa Touide est actuellement directrice exécutive de l'ONG Femmes, Action et Développement Fad Niger. Quand on a commencé à avoir l'idée de création déjà avec euh, les amis, on était même à l'hôpital. Il y avait ma grand-mère qui était hospitalisée, elle était sur son lit de mort, je ne pouvais pas aller à la maison. Donc j'amenais l'ordinateur là-bas pour travailler tard la nuit et constituer les textes de l'organisation. Et FAD aujourd'hui est constitué d'une équipe très dynamique. On travaille ensemble en équipe. On dit qu'on est une famille. Donc, euh, tout ce qu'on a eu comme euh, résultat, c'est pas à Nafissa, c'est vraiment toute l'équipe qu'il faut revoir. Peut-être c'est le lieu de en tout cas pour tout leur engagement, pour tout leur dynamisme. Ce qu'on fait, c'est vraiment un accompagnement. On fait énormément de formations sur plusieurs thématiques en lien avec la femme. On fait le plaidoyer au niveau local, au niveau national et au niveau international pour plus de participation des femmes dans les instances de prise de décision et leur participation également dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits. On met en place des cadres de hearing, euh, par exemple dans les établissements scolaires, pour responsabiliser les jeunes filles, pour qu'elles arrivent vraiment à prendre euh, en charge cette question de violence en milieu scolaire. Il y a plusieurs autres organisations de jeunes filles qui sont créées sous inspiration de l'organisation FAD. Nous faisons également des, des activités génératrices de revenus. On distribue des moulins à grains des machines à coudre, mais à la disposition également des kits événementiels aux femmes en situation de vulnérabilité ou bien qui sont en zone de conflit pour qu'elles puissent s'autonomiser. Dans les partis politiques également, nous avons identifié des mentors que nous sommes en train d'encadrer pour qu'elles puissent euh, jouer un rôle important au niveau des partis politiques. Nafisatu Ide s'est dit très satisfaite des résultats obtenus de leur combat. Euh, je suis personnellement très très satisfaite. Aujourd'hui, de vous regarder au niveau national, même au niveau international, si euh, on doit citer deux organisations féminines les plus crédibles et les plus dynamiques, je pense que si on n'est pas première, on sera deuxième. Euh, on a beaucoup de choses en perspective, surtout pour les élections à venir, et je pense qu'on va se mobiliser pour non seulement mobiliser les ressources, mais également apporter beaucoup plus. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, vous faites simplement une comparaison de tout ce qui est évidence, vous allez constater qu'il y a eu du changement. Euh, je ne dirais pas que c'est grâce à FAD, mais c'est également grâce à tous les efforts consentis par les partenaires techniques et financiers, euh, par l'État et également par les autres organisations euh, de la société civile. Les problèmes sont multiples, multiformes. On ne peut pas les citer parce que si une organisation a pu grandir et arriver à ce niveau, c'est parce qu'on a pu traverser énormément de difficultés et on a pu résoudre pas mal de problèmes. Pour nous, ce ne sont pas des problèmes. Parce que tout problème que tu identifies et que tu trouves la solution, ça devient plutôt une opportunité. Ses collaborateurs, Amina Boukari, chargée des partenariats, et Tahir Saïz Abdelkader, responsable de logistique et sécurité à l'ONG FAD, apprécient le courage de Hajia Nafissa Touide. Madame Nafissa est quelqu'une euh, qui ne plaisante pas avec le travail, qui est très professionnelle, qui sait se montrer très cool, mais vraiment quand il s'agit de travail, elle s'y met et elle veut que toutes les personnes autour si mais Personnellement, il m'inspire beaucoup parce que c'est son travail qui me pousse à me donner à fond pour ne pas la décevoir, pour euh, répondre à ses attentes. Ah, je trouve son travail vraiment impeccable et parfait. Sur le plan professionnel aussi, elle m'aide à m'améliorer beaucoup. Elle est très rigoureuse. Elle aime le travail bien fait. En un mot, elle est comme une personne perfectionniste, comme on le dit. Et sur le côté social, il n'y a pas son doute. Franchement, il n'y a pas son Il ne suffit pas de faire une chose, mais il faut savoir pourquoi et pour quelle vision vous les faites. Il faut juste rester dans la constance déclare cette Ide. Les femmes doivent croire à leurs compétences et se mettre en réseau pour se développer ensemble. Ravi, faisons un tour à musique avec ce titre de Niger l'abusé de Haruna Pampazo. sai ikyota wala sai ikyota wala sai ngaiga ko ikyota isheku go kyota ngai ma ko sai lima mo kwara wali o kwara mama jobono ko bara sai irborai irma ko ngara

Yeah. C'était Haruna Pompazo. Bibi, voyons à présent ce que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. Rekia, le loti d'aujourd'hui parle des violences conjugales que subissent certaines femmes. Beaucoup de femmes, tant en milieu rural qu'urbain, en sont victimes. Et il y a des hommes qui sont aussi violentés par leur épouse mais n'osent pas en parler. Suivant ensemble comment faire recours en cas de violence conjugale. ne wannan bakin gilasan da kika sa heyi kin ga yadda idanunki suka kumbura kuma dubi duk wannan burdin a jikinki Elwata <laughs> ina zan bullo miki <laughs> daina kuka ki mini magana faduwa kika yi ko ku hari aka kai gare ki kai co na so a ce haka ne mijina ya mini shegen dauka dumi duka fa kika ce tabɗin jam ke kuma mi kika yi mishi har ya miki wannan shegen dukan kin faɗa wa wani yaya zan yi uban ɗiyana ne fa kuma in na faɗi ma mutane kamar na tona ma kaina asiri. Me nike shirin ji baki san ba in namiji ya ɗora wa matarsa hannu ya kamata a kai ƙaransa in ba haka ba kullum ya tashi sai ya da keki kamar jaka. Uhm, yar uwata ni da kaina abu ya ishe ni uhm, amma yaya zan yi ba ni da wani zaɓi. Ƙwarai kuwa kina da zaɓi ke bari in haɗa miki zaɓoɓi ma. Me zan yi ina ya kamata in je? Haba yanzu kika fara magana abu na farko shine ki takardar shaidar likita wadda ake kira certificate medical a turance takardar shaidar likita ina kuma yaya ake yin shi saurara daga mijinki ya bige ki ruga maza ki je likita ganin likita da zai dubi lafiyar jikinki ya yi miki takardar shaidar likita ki je gun lauya da ake kira procurer ki yi shi koko don samun abun da gaugawa ki je peji gun 'yan sandar shari'a ki ɗoki takardar ƙara. Kin san sarai ban da hali, na sha abin kuma sai da kuɗi. Kuɗin mi, ba ki biyan komi, akwai kuma hukumar ƙasa da ƙasa don taimakawa shari'a da shari'a, wadda ake kira ANAJ da ke taimakawa mata, kuma in ma ba a saurare ki ba a ƙungiyar addinin Islama, gwada kuma da ƙungiyar da ke kula da kare hakkin bil'adam ko kuma ƙungiyoyi daban-daban da ke kare hakkin mata. kamar su SOS Fam A and Fam Victim de Violence. Mijinki zai iya yin kurkukun wata biyu, hiye da hakan ke in gaya miki in bugon da ya yi miki ya yi tsanani, ko ma kuma a yi mishi tara. Ce Allah. Allah makwa. In ya nemi yahiya ana iya sassauƙa mishi da sakin talala. Abin mai mahimmanci ma a nan shine yana iya kai ku ga rabuwa. Ana barin al'amarin nan ne a hannun lauyan shi ya cancanta da sanin ɗaukan matakai. Ashe akwai ma inda zani a shaurare ne? har ma a kare mini inci na nike nan ina zure wannan kuncin kin gani ko amma hattara wai sai in an shaida cewa laihin ba daga gare ki bane har ya kai shiga bango yana iya shiga cikin matakin yanayin masu tayar da hankali kenan ki yi hankali matakin yanayi masu tarar da hankali mi kike nihi kamun rabi da rabi ne za a yi mishi ah na gane yar uwa wallahi na gode gobe goben nan zan je in fara al'amarin nan don in kare kaina madalla Allah ya taimaka amin a sani mace ba turmin daka ce. kwarai kuwa C'était le loti de l'équipe femme du studio Kalango. Passons à présent à la rubrique culture linguistique. Ça sera avec Gungu Maham. Bonjour Gungu. Bonjour. Le, mot d'aujourd'hui c'est persona non grata. Oui, persona non grata, l'expression persona non grata est utilisée en diplomatie pour désigner une personne qui n'est pas souhaitée dans un pays ou dans une mission diplomatique. Lorsqu'un gouvernement déclare qu'elle doit quitter immédiatement le pays ou la mission diplomatique, la déclaration de persona non grata est considérée comme une mesure diplomatique forte et peut être utilisée pour diverses raisons, notamment en réponse à des activités considérées comme contraires aux intérêts du pays hôte ou pour protester contre le comportement d'un gouvernement étranger. Lorsqu'un individu est déclaré persona non grata, il est également rappelé par son pays d'origine ou son organisation et doit quitter le pays dans un délai imparti. S'il ne respecte pas cette décision, il peut être expulsé ou être considéré comme un individu non autorisé. La désignation d'une personne en tant que persona non grata peut avoir des conséquences diplomatiques importantes. Cela peut affecter les relations entre les pays impliqués, en particulier si la personne en question est un diplomate ou un haut responsable gouvernemental. Alors, si vous le permettez, je m'en vais traduire cette expression en Hausa. Kalman persona non grata ana amfani da ita ne domin nuna wani mutum da ba karɓe shi ba a cikin ƙasa ko kuma a wata harabar diplomasiya. Duk lokacin da wani gwamnati ya sanar da cewar mutumin ya bar ƙasar to ya wajaba ya bar ƙasar ko kuma harabar diplomadiyar. sanarwar persona non grata tamkar wani mataki ne na diplomasiya mai ƙarfi kuma da ake amfani da shi bisa dalilai daban-daban musamman mai da murtani ga wasu aika-aika da ake gani bamban da bukatun ƙasar da ta karbe shi ko kuma domin nuna rashin amincewa da halayen da gwamnatin kasar wajen ke aiwatawa idan aka sanar da wa wani mutum tamkar persona non grada non grata wato mafi yawan lokuta ƙasar tashi na kiransa ya komo gida kuma ya bar ƙasar kan wa'adin da aka kayyade masa idan ya ƙi za a iya korarsa ko kuma ya zan wanda baya da wani katabus ga aiwata komi sanarwar cewar mutum ya zan persona non grata na iya haddasa sakamakon ƙangin diplomadiyya mai nau'i sosai hakan na iya gurɓata hulɗa tsakanin ƙasashen biyu musamman ma an mutunan jami'in diplomasiya ne ko kuma babban jami'in gwamnati. Mun gode Malam Gungu. Chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous aimer, à, cette édition et ça nous touche énormément. Écoutons quelques-uns de vos messages. Sunana Aboukweni, tsohon mushan makaranta wanda kenan yana cikin retreat yanzu. Kalangu ina sauraron ta sosai da sosai amma na yi karfi bisa ga information eh labaru hakan ga wani suke bada tun da kana nan mai sai ka samu labarin difa sai ka samu labarin tilaberi sai ka samu labarin agadez ko ina dai suna tabawa wannan abu shine nake alfarmashi gaskiya ina jin daɗin sauraron kalangu tunda abubuwa dama za ka ji wanda ba wajen ku bane amma za ka kula da shi haka ji daɗi kai ma kuma bancin wannan naji suna emission da yawa ba harshe ɗaya ba kenan sai in ce wannan Allah saka musu alheri mutane da yawa kansana wayewa albarkacin kalangu. To suna na malama sa'ara abdu ni ma abuciyar sauraron shi da kyau ma eh, saboda tun daga wajen karhe biyar nan zuwa karhe bakwai labarin da suke ba da na yammacin rana gaskiya bayan su akwai wannan shiri da suke yi na fannin matasa wannan fannin zamantakewa rayuwa hakan ga gaskiya wannan yana ƙayatar da mutane da kyawu bayani bisa kan wani sasarari wani matasa su bar zaman banza kowa ya tashi dogara da kan shi shirye-shiryen su gaskiya yana yi mutane na sauraron su da kyawu wannan labaru da suke ba da gaskiya Allah alhamdulillah shirye-shiryen da suke gabatarwa shirye-shirye ne masu Muhimmanci abin da sanar ce suna da eh, muhimmanci kamar shirye-shiryen da abubuwan da suka shahi mutanen mu karkara da kuma abubuwan da suka shahi abin da yake nesa gare mu dai abin da yake cikin ƙasa dai in takaice abin da gaskiya studio kalangu babu abubuwan da ba su tabawa abin da ya shahi dai al'amura na rayuwar mu ta yau da kullum abin da nake kallo kamar studio kalangu lalle an ba su lokaci amma ganin ke lokacin nasu yana da kaman kaɗan inda so samu ne a samu lokaci dai wanda kamar da daddare in suna yin a eh, shirye-shirye na dare. Ni ne Ali Tayar. Kwarai muna sauraron shirin na studio Kalangu saboda shiri ne mai matakan mahimmanci. Eh, shiri ne wanda ke waye mai 'yan ƙasa kai manya da matasa. Wannan shiri muna alfahari da shi ma'abuta sauraron shi ne. shi dai daga ciki ba kwanan labaran nan saboda shi labari shi ne ke kaiwa ko'ina abinda da ba ka da masaniya kan shi sai ka samu labarin shi. Sunana nana ina sauraron studio Kalangu ina sauraron labarai kala-kala amma wajen labarin yaran nan ka yaran matasa da ke ta digan nan ana wayi kai kware-kware ma ana jan hankalin su. Sunana mai na ari gidan alu ni ma abucin sauraron studio Kalangu ne tun da bi sabilillahi sai dai ko in ba ni gida kuram kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda nake karuwa ciki. Ko shirin studio Kalangu kai in zana maka fa zani fa ba Merci bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. C'est la fin de cette édition du mardi 29 août 2023. On se dit à demain avec notre duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Rabia Megano et Rekia Arimi. L'édition a été assurée par Kadija Isaka et à la technique Amina Hassan. Très bientôt.